forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, c'est Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey euh, sur Alternative FM 99.4 et Amphani FM 100. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux de région et dans les localités d'Arlit, Filengue, Birningaouré, Chirozirine, Magaria, Mainasoroa, Tamaske, Bouza, Dolbel et Saï. Nous sommes mercredi 16 novembre 2016 et ce jour coïncide avec le lancement ce matin au palais du 29 juillet de Niamey de la quatrième édition de la semaine de l'entrepreneuriat agricole et social. C'est la promotion de l'entrepreneuriat agricole qui est recherchée et au-delà, l'inculcation de la culture de l'entreprise au Niger. Cette semaine est une occasion donc pour nous de parler des jeunes et de la création des entreprises. Les jeunes, surtout que le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Albada Abouba, qui ouvrait la cérémonie ce matin, a salué les jeunes et les femmes pour leurs efforts particulièrement importants dans le développement et la modernisation du secteur rural. Les jeunes, surtout que la population est très jeune, 66% en moins de 25 ans et près de 52% en moins de 15 ans. Selon un document du ministère de la formation professionnelle en milieu rural, urbain, les jeunes âgés de 15 à 34 ans représentent environ 35% de la population totale. À Niamey, cette proportion serait encore supérieure. Un million et demi de jeunes de 13 à 19 ans sont en dehors du système éducatif et sans emploi, et plus de 50 000 diplômés sont au chômage. Il faut donc redynamiser ce secteur de l'entrepreneuriat des jeunes pour faire face au chômage et pour booster l'économie du Niger. L'entrepreneuriat des jeunes, qu'est-ce que c'est Quel état des lieux peut-on dresser Quelle force, quelle faiblesses et quelles perspectives Autant de questions qui méritent des réponses. Et pour répondre au studio Kalango, nous avons approché quelques jeunes et nous avons aussi des invités, des acteurs, et comme invités en direct dans ce studio, nous avons, monsieur, à notre droite, monsieur Seydou Suleiman Mamadou. Bonsoir Seydou. Bonsoir. Vous êtes euh, jeune entrepreneur. Oui, je suis jeune entrepreneur. Euh, je dirige Impact Media, oui. qui produit euh, notamment des émissions économiques. Donc, à travers mon activité, je suis au cœur de l'entrepreneuriat au Niger. Merci Seydou d'être là. Merci beaucoup. À ma gauche, je vais commencer avec Daouda. Monsieur Daouda Hamadou, vous aussi, vous êtes jeune entrepreneur. Oui, bonjour, bonsoir. Effectivement, je suis entrepreneur dans le domaine euh, du numérique. Donc, euh, à l'époque, on dit technologie de l'information euh, et, de la communication. Donc, j'ai une entreprise qui fournit des services numériques, notamment dans tout ce qui est développement de logiciels, de, la formation et tout ce qui est réseau d'entreprise. Merci d'être venu, Daouda. Nous avons aussi M. Bello Mahamadou, qui est project manager et business developer mais à la semaine, vous allez nous dire qu'est-ce que c'est Oui, merci. En fait, euh, comme en fait, c'est l'entrepreneuriat des jeunes, on se focalise plus sur la business developer. Au centre incubateur, en fait, qu'est-ce qu'on fait On accompagne les porteurs de projets et aussi des entreprises incubées au sein du centre incubateur. Donc, euh, durant la, la, discussion, j'aurai l'occasion de développer concrètement qu'est-ce que c'est que la pré-incubation qu'est-ce que c'est que l'incubation hmm. et qu'est-ce que Submen apporte en tant que tel par rapport à la valeur ajoutée. C'est un centre privé, c'est un centre public Au fait, c'est un partenariat public-privé. Les deux sont ensemble Les deux sont ensemble, donc euh, avec un conseil d'administration. Et je citerai les, membres du conseil, certains membres du conseil d'administration tout à l'heure, avec euh, l'occasion que vous m'accorderez D'accord. Merci, merci d'être venu, chers invités. Donc, euh, on parle de l'entrepreneuriat des jeunes. Je veux d'entrée demander la définition pour vous qui êtes sur le terrain, pour vous qui le pratiquez, pour vous qui travaillez avec les jeunes Ça, c'est une très bonne question. Voilà. Hmm. Entrepreneuriat des jeunes, est-ce que c'est l'entreprise qui est jeune ou bien c'est l'entrepreneur ah, qui, est jeune Mais je pense que ça parle des deux, hein, en même temps. on a besoin d'avoir des jeunes entreprises et on a besoin aussi d'avoir des jeunes entrepreneurs souvent, et aujourd'hui, le, grand slogan, d'ailleurs, y compris au Niger, j'ai entendu le ministre de l'Entrepreneuriat des Jeunes en parler, euh, en disant que l'objectif euh, euh, de leur action gouvernementale dans ce domaine, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de création d'entreprises par les jeunes et pour les jeunes. Vous voyez et, et, je pense que cela est important. Et lorsqu'on vient par rapport aux chiffres que vous avez donnés, à toute la problématique de la démographie et des défis sociaux du Niger, inévitablement, une des solutions doit être recherchée au niveau des jeunes. Mais les jeunes qui peuvent faire quoi Les jeunes qui peuvent créer des entreprises. Parce que quand un jeune crée une entreprise, il offre une opportunité peut-être à 10 jeunes, peut-être à 20, peut-être à 30, peut-être à 100. Il n'y a pas que les jeunes qui offrent des opportunités, les autres âges. effectivement, mais quand on regarde la, la, grande problématique au Niger, et je vais permettre à mes collègues de rentrer dans le débat aussi, la grande problématique, c'est surtout qu'on est un pays de jeunes. Vous 70% de la population est jeune. Naturellement, les seniors, c'est-à-dire ceux qui, ceux qui ne sont pas jeunes, qui sont âgés, souvent ont besoin aussi d'être dans des entreprises jeunes, c'est clair. Mais le grand défi, c'est quand même qu'il faut canaliser plus de 70% de la population. Oui, c'est ça qui fait que la question des jeunes devient centrale. Voilà. Euh, en mode, vous avez la même définition. Euh, exactement. en tout cas, je remercie Seydou pour sa définition. Moi, l'entrepreneuriat, je, je, je, je, vois que, que ce soit de l'entrepreneuriat pour les jeunes ou même pour les seniors, en fait, c'est un processus. Hein. C'est un processus qui permet de créer de la valeur et de la richesse. Valeur, ça veut dire que euh, nous, nous apportons des solutions. Ça veut dire nous apportons des solutions à des problématiques ou à des besoins. Quand vous prenez par exemple ce que, ce que Seydou fait à travers son, son, son, entreprise Impact Media et son émission Business Challenge, et il apporte de la solution. Nous, à travers Novatech. De la solution à quoi à, à des besoins à des problèmes. Je prends un exemple concret. Actuellement, nous sommes en train de développer une application mobile qui va permettre, par exemple, de trouver des logements. Tout à l'heure, quand on venait dans le véhicule avec euh, mon ami Bello, actuellement, il est en train de chercher un logement. Et nous, nous voulons euh, apporter une solution ok, à ce L'entrepreneuriat, c'est apporter des solutions à des problèmes existants, ok, dont la population euh, en, souffre, ou des besoins qui sont peut-être souvent pas bien exprimés, que vous, vous avez détecté ces besoins et vous les offrez. Un exemple comme ce que c'est en train de faire, à un moment donné, il y avait un manque d'informations économiques. Donc, il a détecté que c'est aussi un problème pour certains acteurs, économiques du Niger ou à l'extérieur et il a apporté une solution. Et en même temps, nous, nous créons de la richesse. Ça veut dire quoi À travers les taxes que nous payons à l'État, nous aidons à construire quelque part dans un village, euh, je ne sais pas, à 1000 km <laughs> d'Agadez. Ok, nous contribuons effectivement au développement économique du pays. Aller plus loin par rapport à la richesse c'est l'entreprise qui paye les salaires du public quand nous, même. Nous reviendrons à tous ces aspects-là. Eh, Monsieur Bello, vous qui êtes du CIPMEN, eh, c'est la définition qu'il faut retenir de façon concrète. En fait, l'entrepreneuriat et au fait, je résume aussi par rapport à ce qu'ils ont dit déjà, c'est la création de la valeur. Juste aussi nier la différence peut-être un entrepreneur, quelqu'un qui crée de la valeur, et peut-être un commerçant. Un commerçant, il prend un point A pour partir à un point B. Or, un entrepreneur, il essaie d'ajouter une valeur. Il ajoute cette valeur, et si on n'ajoute pas la valeur, il n'y aura pas de richesse. le commerçant à sa boutique. Le commerçant a sa boutique. L'entrepreneur, par exemple, euh, si on prend un exemple, hmm. quelqu'un qui, qui vend le bleu, il enlève juste du vent ce bleu-là. Mais l'autre, lui, le bleu, il le transforme en quoi En une pâte. Il la transforme cette pâte en, en du pain. Donc il y a une valeur, et c'est cette, valeur-là d'ailleurs on appelle la, taxe et la valeur ajoutée. Hmm. Donc tant qu'il n'y a pas l'entrepreneuriat en question sorte, il pas une valeur ajoutée. Donc où est-ce que l'État va se retrouver parlant des taxes sur la valeur ajoutée hmm. Maintenant, si je reviens un peu, ce qu'on fait aussi, je disais tout à l'heure, je vais résumer, hmm. ce qu'on fait par rapport pour accompagner ces jeunes porteurs de projets, aussi ces jeunes entrepreneurs. On va demander le rôle, qu'est-ce que les euh, le CIPMEN euh, intervient pour faire dans la création ou bien dans l'entrepreneuriat D'accord. Donc, en, grosso modo, en fait, je vais me situer sur deux phases. La première phase. Puisque c'est public et privé. Oui, c'est public et privé. Donc, la première phase, qu'est-ce qu'on fait et Je parle d'abord des porteurs de projets. Quelqu'un qui a une idée, l'entreprise qui bouillonne dans la tête, il vient vers SIPMEN alors cette idée, on peut l'aider, on l'accompagne jusqu'à la création d'entreprise. C'était juste une idée. La définition de CIPMEN, le sigle et Le sigle, c'est Centre Incubateur des petites et moyennes entreprises au Niger. Enfin, on n'a pas oublié les femmes, c'est juste que les mènes, là, pas, ça ne veut pas dire homme. Hein. <laughs> Oui. C'est homme avec grande <laughs> voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait Concrètement, au niveau de la phase de pré-incubation, le processus, on lance un appel à candidature pour dire, bon, voilà, qu'est-ce qu'on offre on offre une phase de pré-incubation qui dure pratiquement 4 mois. Et dans cette phase, qu'est-ce qui se passe et les gens qui sont d'abord présélectionnés et sélectionnés, parce que c'est des idées aussi innovantes, on voit que réellement l'entreprise est viable aussi économiquement, on fait certaines analyses et on prend des dossiers. Et pratiquement, c'est plus de 30 à 40 cas porteurs de projets qu'on a accompagnés. Alors, la première phase, ils rentrent dans les centres incubateurs. Il y a un open space qui est là, c'est-à-dire c'est leur bureau. Hein et ils ont des horaires qu'on les encadre sur d'abord la concrétisation de leurs idées sur papier. Où est-ce que réellement c'est quoi leur objectif Parce qu'il y a des gens qui viennent, des fois c'est juste des idées qui sont comme ça, donc on essaie de recadrer au maximum qu'on peut. aussi c'est un centre, que ce soit par exemple Daouda est là, et aussi et tous ils connaissent... Euh, donc, c'est des opportunités qui sont offertes euh, à ceux qui ont des idées. Ah, nous, allons revenir sur ces opportunités. D'accord. Si je, je, vais juste finir la phase, au fait, de l'explication de la pré peut-être après, je vais expliquer l'incubation. Alors, dans cette phase, donc, on accompagne le jeune à concrétiser son idée. Dans cette phase aussi, on accompagne les jeunes à réaliser son plan d'affaires pour mieux voir là où il va. Aussi, n'importe quel jeune. avoir il faut dissocier les jeunes. Non. en tout cas, il y a un niveau minimum pour comprendre un plan d'affaires. Ah, lequel Quel niveau il faut Les niveaux, on peut prendre un niveau bac ou un niveau post-bac. on, on, reviendra sur tous ces aspects, si le temps nous le permet. C'est d'où Vous, vous êtes jeune entrepreneur. Comment êtes-vous arrivé dans cette situation parce que vous avez, de <laughs> l'argent, vous avez une situation, ou bien eh. ça vous est venu comme ça Non, eh, je pense que si on doit attendre d'avoir de l'argent pour entreprendre, on ne va jamais entreprendre. Et ça, c'est pas seulement au Niger, mais partout au monde. Et ce qu'il dit eh, est très important parce que moi, mon entreprise est passée par le centre incubateur avant d'aller s'installer, de, prendre son envol. Je, vous dis comment ça s'est passé J'avais une idée d'entrepreneuriat. Je sentais qu'il y a des besoins que je peux euh, aider à, résoudre la question, par exemple, de l'information économique. Au Niger, vous êtes dans les médias, vous savez que nous n'avons pas de médias spécialisés sur les questions d'information économique. Et ça, moi, j'ai eu la chance ailleurs de travailler dans les médias économiques. Je, quand je suis revenu au Niger, j'ai détecté cette, euh, euh, ce problème-là et je me suis dit, je vais le résoudre en créant une entreprise qui va produire de l'information économique. Maintenant, la question de l'entrepreneur, là où c'est important, c'est que vous ne pouvez pas créer une entreprise et réussir s'il n'y a pas un bon environnement. Et parmi les éléments qui participent au bon environnement, lorsqu'on démarre, c'est par exemple un centre incubateur. Ça vous donne quoi un centre incubateur Ça vous donne par exemple un bureau. Quand vous démarrez, que vous devrez dépenser de l'argent pour louer une maison, c'est difficile pour un jeune. Mais si vous avez un centre incubateur, déjà vous avez un bureau. Souvent, l'entrepreneur n'a pas toutes les compétences qu'il faut pour gérer son entreprise. Moi, ma chance, c'est que j'étais gestionnaire de formation. Sur ce plan-là, je n'avais pas de souci. Mais eh, le fait d'aller eh, vers des gens qui vont vous accompagner, le fait aussi souvent d'avoir certaines facilités, par exemple avoir l'Internet gratuitement, avoir ne pas payer l'eau et l'électricité parce que vous êtes dans un centre, avoir un service financier qui vous accompagne, vous voyez, tout ça, ça aide. Et donc, moi, par exemple, puisque dans mon cas, quand je crée un parc premier Média, en tant qu'entreprise individuelle, je vais vous dire, euh, le capital de départ, c'était 436 000 francs CFA que j'ai mis dans un compte. Oui, mais 436 000, c'est un peu beaucoup. Hein. Non, c'est beaucoup, mais aujourd'hui, ça, je vous parle de 2014. Aujourd'hui, on crée une SARL déjà avec 100 000 francs. C'est-à-dire les textes ont évolué. À l'époque, moi, quand j'ai mis 436 000 francs, c'était parce que la SARL, c'est-à-dire la société à responsabilité limitée, c'est 1 million, le capital. Et en dehors du capital, vous allez faire appel à un notaire obligatoirement à l'époque. Et le notaire va vous coûter au moins peut-être 400 000, 500 000. Si vous mettez tous les frais, il vous faut au moins 2 millions, 3 millions pour démarrer. Aujourd'hui, on a réformé les textes au Niger. Avec 100 000, vous pouvez créer, euh, vous avez votre capital. Avec 20 000 encore, vous avez toutes les démarches et le notaire, c'est facultatif. Donc c'est aujourd'hui beaucoup plus facile qu'il y a peut-être même deux ans en arrière. Bon, vous voyez, c'est. Voilà, euh, c'est un peu plus. Euh, votre situation est un peu plus reluisante, si je vous écoute oui, bien. Mais... Donc, euh, est-ce que c'est votre cas bon, c'est peut-être que moi, c'est un peu différent, c'est un peu différent, mais toujours est-il que c'est toujours parti d'un besoin. Et c'est ce qui est vraiment commun aux entrepreneurs. Aujourd'hui, si on est jeune, on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, effectivement, l'incubateur, euh, et c'est partout au monde, hein, les incubateurs sont, je peux dire, des points d'entrée euh, faciles pour euh, permettre de, de gagner des du opportunités. Temps. Ce sont des opportunités. Donc, moi, par contre, je travaillais, je travaillais, j'étais, euh, j'étais un salarié d'une multinationale dans le domaine minier, et effectivement, je sentais que je, j'avais détecté d'abord ce besoin, et je sentais que je pouvais, j'avais vraiment, je sentais la capacité que je pouvais, en tout cas, répondre à ces besoins-là en me lançant dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est, pas, ça, ça part toujours d'un besoin ça part toujours d'un problème, ça part aussi souvent d'une vision. D'une vision. D'accord. On, va, alors, on va essayer de voir les jeunes et l'entrepreneuriat, qu'est-ce que les Nigériens en pensent. Notre reporter Habib Garba a tendu son micro à certains, voici ce qu'ils pensent. En venant aujourd'hui, je pensais qu'on allait voir vraiment un engouement des jeunes entrepreneurs qui vont exposer leurs produits. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais quand même, le message que j'ai lancé euh, à la jeunesse, c'est d'emboîter le pas comme nous, comme nous. Car aujourd'hui, l'État, euh, qui est le principal employeur ici au Niger, hein, on peut le dire, est saturé. Le travail ne peut pas suffire à tout le monde. Donc, euh, pour s'auto-suffire, il faut d'abord créer, oser, de ne pas avoir peur de faire comme nous. Tout projet, les difficultés ne manquent jamais mais seulement il faut s'adapter aux difficultés. Donc nous, on a rencontré des difficultés. Euh, la difficulté principale, c'est quoi La difficulté financière. Mais Dieu merci, aujourd'hui, grâce au programme Yawa, nous avons pu obtenir une subvention qui va nous permettre aujourd'hui de décoller. Et aussi, euh, comme difficulté, c'est surtout les contacts. Donc vous savez, au Niger, pour voir euh, des gens de l'administration les plus haut placés, c'est très difficile. Donc on s'adapte en fonction des, des choses et qu'il ne faut jamais se décourager face à la difficulté. Par rapport à ce que je vois aujourd'hui, cette matinée, et ce que j'ai vu dans le les gens sont entrepreneurs. Les jeunes gens veulent entreprendre, veulent être indépendants. Mais il y a toujours ce petit blocage euh, la formation, les compétences qu'il faut et le support qu'il faut. Le support qu'il faut, c'est non seulement le mentorat, donc les accompagner, les coacher, mais aussi l'accès au capital, les petits fonds qu'on peut leur donner pour qu'ils puissent démarrer et continuer leur propre entreprise. Les jeunes sont entrepreneurs parce que quand vous faites le tour des stands, vous allez voir que la majeure partie des gens sont des jeunes. Les jeunes, ils ont des créativités. Mais ce qui manque à ces jeunes-là, c'est un appui que ce soit l'appui technique ou bien l'appui financier. Ce sont les deux aspects qui manquent euh, pour les jeunes. Il faut qu'on forme les jeunes sur la, question de l'entrepreneuriat social pour qu'ils sachent c'est quoi cette dimension-là. Voilà. Vous venez de suivre euh, quelques Nigériens euh, ici sur l'entrepreneuriat des jeunes. Je vais aller avec Bello, qui est du SIPMEN. Mhm. Vous avez écouté en tout cas des opinions un peu différentes par rapport à l'entrepreneuriat du jeunes. Aujourd'hui, quelle est la situation au Niger Est-ce que euh, c'est un bon qu'on est en train de suivre ou bien euh, la situation c'est stagne Disons, l'entrepreneuriat a-t-il de l'avenir Bon, en fait, D'ailleurs, l'avenir est dans l'entrepreneuriat. Hein. Donc, au en fait, parlant de la situation, on ne peut pas dire qu'elle est, statique, elle est vraiment dynamique. Dynamique. Il y a peu de ah, temps Chiffres, oui. oui. au fait, il y a peu de temps de cela quand on prend ces structures, par exemple, quand je prends les cas des centres incubateurs, je prends les cas de la maison de l'entreprise, en tout cas, il y a tout le ministère aussi de la jeunesse qui est là, de, la jeunesse aussi, de l'entrepreneuriat qui est là. Donc, il y a tout un engouillement qui tourne autour de cet aspect entrepreneuriat. Alors, il y, a il y a les jeunes, en fait, qui sont là. Il y a des jeunes conformes qui sortent des universités. Il y a des jeunes aussi bons qui se découragent même de voir avant même de partir. Parce qu'ils voient, en, en, fait, déjà, il y a des gens qui chôment. Or, cet aspect, au fait, il faut ait dans la mentalité, qu'il y ait tout un changement. Et c'est un processus. Le processus, c'est quoi Il faut qu'on se dise que c'est pas forcément je veux partir travailler pour quelqu'un, d'ailleurs je les félicite. C'est pas en travaillant chez quelqu'un que forcément je vais gagner mon pain. C'est bien pour peut-être avoir une expérience pendant un temps, c'est faisable. Mais il faut aussi qu'on se mette dans, dans cette tête que réellement, il faut forcément l'entrepreneuriat, et l'exemple aussi à monter dans des pays qui se sont développés, c'est l'entrepreneuriat, c'est le secteur privé qui tire vers le haut pour que les pays aillent l'avant. Aujourd'hui, si l'entrepreneuriat marche, c'est que c'est l'État aussi qui gagne. C'est l'État aussi, il y a des jeunes qui sont là, qui sont épongés, ils ne sont pas aussi livrés à eux-mêmes où ils peuvent faire. vous, qui accueillez les jeunes, oui. Euh, quelles sont les données que vous avez, quelques chiffres qui, expliquent qu'effectivement, les, jeunes sont, les jeunes sont en train de comprendre que il faut se lancer dans l'entrepreneuriat. au En fait, par exemple, si on prend notre cas, euh, en fait, avec l'évolution de, la situation, au début, on était, par exemple, à 10 et 15 postulants. Quand on lançait un appel à candidature pour, les, pour que les jeunes viennent, vers les centres incubateurs. Et de nos jours, ça tourne autour de 150, 200. Et on a à peine, en avril, on a fêté nos deux ans d'anniversaire. Donc, vous voyez, ça à dire les jeunes commencent à comprendre concrètement que réellement, juste en tout cas, c'est un niveau micro, certes, mais quand même, on voit au moins l'engouement qui donne et chaque fois, les demandes sont tellement élevées et notre centre est tellement insuffisant aussi qu'on a même déplacé les locaux parce que les capacités, au fait, on ne peut pas s'y porter. Et ça, explique que concrètement, ces jeunes-là, ils s'orientent vers l'entrepreneuriat des jeunes et le centre incubateur aussi est là pour accompagner. C'est, il est à but non lucratif, c'est réellement pour rayonner, créer de l'emploi, et voilà, en fait, faire sortir aussi les Niger, donner notre pouce qu'on peut hmm. pour aussi euh, créer de la valeur. Dauda vous qui êtes jeune entrepreneur, si quelqu'un veut vous suivre euh, dans votre dynamique, quel conseil vous pouvez lui donner, un jeune entrepreneur qui, hésite à aller euh, pour faire comme vous Bon, je dirais que je suis encore jeune, je <laughs> suis toujours jeune aussi. et j'ai aussi besoin de, coaching, comme on l'avait parlé de, dans, l'interview tout à l'heure. Je pense que y a, y a, c'est vrai, c'est vrai, au-delà de tout ça, il y a quand même des valeurs. Il y a des valeurs euh, vraiment qu'il faut avoir, notamment, il faut vraiment avoir une vision d'abord. Il faut vraiment avoir une vision de là où on veut aller. Ça, c'est très important. Il faut aussi être passionné faut vraiment être passionné de, de, de, de, de ce qu'on fait. Il faut vraiment avoir l'amour de ce qu'on fait. Parce que la passion, elle est importante à un moment donné quand, par exemple, dans votre activité, dans votre business, vous sentez qu'il y a des moments où ça ne marche pas du tout, parce qu'il faut avoir, comme on dit, un mental un mental euh, très fort. Oui. Vraiment, il faut être passionné. Il faut aussi vraiment être euh, persévérant. Il faut être très persévérant, ça demande aussi. Donc, il y a beaucoup de valeurs humaines qu'il faut avoir, en tout cas pour se lancer. Et ce n'est pas quelque chose qu'on apprend forcément à l'école ou. Oui, mais vous, vous comme euh, Seydou, vous, déjà vous travaillez. Tout à fait. Et vous avez de quoi subvenir au quotidien en attendant. On essaye, on essaye. Oui, mais <laughs> pour celui qui n'a pas ces moyens-là. Celui qui n'a pas, moi je dirais que c'est vraiment de se renseigner. Il faudrait vraiment se renseigner. Il faut prendre l'information. Il faut aller, il faut aller, il faut chercher l'information faudrait chercher l'information des structures comme le CIPMEN, des structures comme la maison d'entreprise. Aujourd'hui, avec, avec, ce que c'est nous fait à la télé, il faut aller d'abord, il faut chercher l'information. à travers l'information, déjà, on a une porte d'entrée. Et ensuite, il faut aller à des événements. Actuellement, c'est le CMEA. À travers le CMEA, pour avoir des opportunités, pour avoir des contacts. Donc, il faut chercher d'abord l'information. Et cette information, elle ne va pas venir vous trouver. Elle va pas venir. Donc, si on est intéressé à vouloir faire l'information, la première des choses, en tout cas, je me dis pour un jeune aujourd'hui qui veut entreprendre, vraiment, c'est de se renseigner. S'il connaît des entrepreneurs qui sont autour de lui, c'est d'aller chercher l'information. Quelles sont les étapes qu'il faut suivre déjà pour se lancer Donc voilà un des euh, conseils que je peux c'est l'information est capitale. Mhm. Ici, nous sommes à Niamey, c'est un peu peut-être plus facile. Prenons des jeunes qui sont à Zender, Difa. C'est beaucoup plus difficile. Oui, et l'accès à l'information est important euh, dans un environnement économique. Et c'est aussi ça le rôle de Business Challenge, de Agri Challenge, tous ces produits que nous sommes en train de lancer pour informer sur l'environnement économique. Euh, mais je vais faire un détour par rapport à la question des moyens. Moi, j'aimerais vraiment démystifier. Vous savez, ce n'est pas les moyens qui font l'entreprise. En fait, euh, quand on a envie de faire, on trouve les moyens. Quand on n'a pas envie de faire, on trouve des excuses. Qu'est-ce que je voulais vous dire On peut créer une entreprise en étant milliardaire. Rares sont ceux qui ont créé des entreprises en étant milliardaires ou mm. millionnaires. Hein. Et moi, j'aimerais démystifier ça. Un jeune à l'université, sur le campus, qui a 500, 500 francs, qui arrive à faire une activité avec ses 500 francs, qui la transforme en 5 000, qui la transforme en 100 000, ainsi de suite, est déjà un entrepreneur. D'accord Potentiel. non, il est même un, entrepreneur, pour moi. D'accord Parce que l'entrepreneur, c'est pas seulement celui qui a un, building, qui a des chiffres, de gros chiffres d'affaires. Non. Vous démarrez avec les moyens de bord. Pour qu'on devienne un entrepreneur, vous pouvez aller avec euh, un franc et arriver à un milliard. Vous voyez C'est vraiment ça. Et c'est l'étape que vous avez pu franchir de 1 franc à un milliard. Tout à l'heure, quand je vous parlais de Business Challenge, avec 436 000 euh, francs, la première année, déjà, on a fait 21 millions de chiffres d'affaires. La deuxième année, on a fait 44 millions. Cette année, peut-être on sera à 50 millions de chiffres d'affaires et il y a 12 personnes qui travaillent dans cette entreprise. Oui. Vous voyez, mais, tout ça. Vous, étiez, vous étiez fonctionnaire. Euh, euh, non, j'ai quitté, j'ai été salarié. Euh, du international. Vous oui, oui, j'ai été salarié, j'ai eu une expérience d'une dizaine d'années avant de me lancer. C'est un chemin. Je pense que si vous me demandez concrètement au Niger, quel est le bon modèle, je dirais c'est peut-être ce modèle-là de modèles de jeunes qui ont la chance d'avoir un boulot, de travailler, de gagner de l'argent, d'économiser, parce qu'ils ont un projet d'entreprise. Moi, quand j'ai quitté mon emploi, j'étais sûr et certain que même si je ne réussissais pas, pendant au moins une année, je pourrais me prendre en charge, sans salaire. Hein. Donc, ça, c'est effectivement, c'est important. Mais il ne faut pas qu'on bloque les jeunes avec ça. Quelqu'un d'autre peut-être a réussi sans avoir eu les conditions confortables que nous on a eues. Mais euh, Bello, juste une astuce hein, pour quelqu'un qui n'est pas de la situation de euh, oui, en fait, euh, moi je crois que quelque part aussi il faut parler, dire peut-être euh, les cabri morts comme on dit n'a pas peur euh, du, Parce que la situation, par exemple, pour quelqu'un déjà qui n'a pas quelque chose dans ses mains, il est déjà chômeur. Je crois que qu'est-ce qu'il a à perdre pour se plonger dans l'eau c'est l'opportunité même. Il doit avoir euh, plus de courage. Voilà, il doit avoir plus de courage parce qu'il n'a rien à perdre. Quelque part, tu es en train de quitter un boulot pour embrasser autre. Déjà, toi, tu es en train de travailler, mais la majorité de ces gens-là ne travaillent même pas et ils sont là. Et la réalité est là, vous les trouvez devant des maisons, c'est les fadas, c'est la culture aussi qui se développe. Il y a encore d'autres jeunes viennent. Alors que c'est vraiment, on ne doit pas se trouver dans cette. Le Niger, je si je peux me le permettre, c'est l'un des pays où il y a plus d'opportunités pour être riche. On va parler des opportunités, mais en attendant, on va, suivre un autre exemple. Nous sommes allés voir un jeune Nigérien qui s'est jeté justement à l'eau en créant sa propre entreprise. Euh, Ismaël Himayaye, responsable de l'entreprise Metal Alpha. Il raconte son parcours à Laurent Ibrahim Kadou. J'évolue dans le domaine industriel. Je fais un parcours en construction métallique. Actuellement, je suis dans ma propre entité qui interviennent dans le domaine métallique, à l'occurrence la conception et la réalisation des ouvrages métalliques. Qu'est-ce que vous faites nous faisons ce qu'on appelle communément chez nous, en majorité, la sollicitation, c'est les portails, les fenêtres. Et parallèlement aussi, euh, nous nous intéressons aux ouvrages sous pression. Dieu merci, en tout cas, grâce à nos propres efforts, Parallèlement aussi, grâce à des démarches que nous avons engagées pendant un moment avec euh, une entité de la place, j'aimerais parler ici de Asus Niger SA. nous avons démarré avec euh, un atelier. Par après, ils nous ont fait cas d'un projet qu'ils ont initié pour les jeunes. Donc, euh, on a trouvé le projet intéressant et que nous nous sommes rendus là-bas. Et Dieu faisait les choses, on a fini par se comprendre et actuellement, en tout cas, on travaille ensemble avec eux. Dites-nous, qu'est-ce que vous gagnez Au retour, euh, ça ne peut être que les lucratifs parce que euh, depuis qu'on a créé notre entité, certes, euh, tout début n'est pas facile, hein, mais quand même, on arrive tant bien que mal à un peu surmonter la pente en attendant de bien se retrouver sur les rails qu'on souhaite en tout cas retrouver. Mais je peux dire que ça va, ça va, c'est pas mal. Il n'est pas aussi facile pour un jeune entrepreneur, même si vous avez tout ce qu'il faut, de prétendre, en tout cas, à un marché, que ce soit peut-être public ou autre, parce que des fois, il faut être, en tout cas, garni de suffisamment de moyens pour pouvoir euh, prétendre à un certain nombre de marchés. Et parallèlement aussi, même si vous avez les moyens aujourd'hui, vous avez vu le fonctionnement, comment ça marche, vous pouvez vous permettre d'aller vers une entité financière, vous faire financer, peut-être par rapport à un marché que vous êtes censé exécuter, et vous allez vous retrouver dans une situation où le paiement va causer problème. Ce qui fait qu'en majorité, nous autres jeunes, on a des difficultés à créer les mécanismes nous permettant d'intégrer ce système-là parce que pour une entité déjà, il faut pouvoir intégrer ce système pour pouvoir la faire vivre. Les difficultés, ça ne manque pas en matière non seulement des ressources humaines parce que euh, au-delà des employés, il y a aussi des jeunes à former. Et ces employés, en majorité, nous ne pouvons pas nous permettre de rester dans le cadre de la législation nigérienne parce que, c'est-à-dire, les activités viennent à compte goutte Ce qui fait que si l'entreprise n'arrive pas à avoir permanentement euh, permanemment des activités, il serait difficile pour l'entreprise de pouvoir en tout cas payer à, terme échu les employés. Ce qui fait qu'en majorité, on travaille avec nos autres frères jeunes et on s'entend par rapport aux travaux à exécuter pour un débit, c'est comme ça que ça marche et j'aime me dis que c'est des difficultés et ce n'est pas à négliger parce que euh, le bon sens voudrait à que quand quelqu'un offre, c'est-à-dire ses activités à votre boîte, au retour, vous devez aussi de lui assurer au moins le minimum pour se venir à ses besoins. Bon, malheureusement, c'est des contrats entre les employés et la société par rapport à l'exécution des activités. Et je me dis que nous souhaiterions en tout cas à ce que ça, soit un contrat nous permettant de les payer à terme échu afin qu'ils puissent eux-mêmes à l'avenir s'organiser, songer, réaliser leurs propres rêves. Et là, du point de vue aussi activité, euh, vous savez bien, pour un jeune, il y a aussi euh, nos activités qui demande beaucoup d'engins, c'est-à-dire beaucoup d'activités, beaucoup de besoins en matériel, en machinisme, ce qui fait que ce euh, c'est pas facile. Euh, nous nous accrochons et nous souhaiterions à ce qu'à l'avenir, en tout cas, que ça change et que les jeunes qui seront, en tout cas, appelés à gérer leur propre entreprise dissipée puissent au moins bénéficier d'un appui ou bien, en tout cas, d'un accompagnement de la part des autorités, pas pour donner, pour faire, mais un suivi qui va, en tout cas, à l'avenir, leur permettre de s'en sortir. Voilà, un jeune entrepreneur comme euh, Daouda Hamadou, que nous avons en direct dans ce studio. Vous avez entendu votre collègue, euh, une liste de problèmes comme euh, les marchés, l'obtention de marchés. C'est beau de, créer une entreprise. C'est d'ailleurs plus facile, hein, j'imaginais. Monsieur Bello est là pour le dire. Mais il y a toutes ces difficultés. Comment vous vivez ces difficultés-là en tout cas, je, partage euh, beaucoup de, en fait de, choses qu'il a, qu'il a dit dans, en tout cas dans l'interview. Effectivement, les difficultés au démarrage, oui, mais surtout effectivement en termes de, ressources, euh, ressources humaines. Parce qu'une entreprise, en général, vous, pouvez commencer seul, peut-être avec l'idée, mais à un moment donné, quelque soit, il vous faut une équipe, parce que vous ne pouvez pas poursuivre, comme on le dit, plusieurs lièvres en même temps. Même si vous êtes euh, le noyau, vous, êtes, vous avez la compétence fondamentale, si je peux dire, pour, pour gérer, à un moment donné, il vous faut une équipe, il vous faut vraiment des personnes avec qui vous allez travailler pour mener à bien vos, activités. Donc, euh, je pense que que ce soit l'aspect financier, l'aspect euh, ressources humaines, l'aspect accompagnement, ce sont les problèmes que nous vivons, que nous vivons tous les jours. Mais pour l'entrepreneur, on dit toujours qu'il faut voir les problèmes comme étant des opportunités. Il faut voir les problèmes qu'on mettait. Parce que mais quand, vous obtenez un marché, vous n'arrivez pas à avoir euh, euh, le, paiement. Le paiement. Exactement. Ça, c'est une, réalité, vraiment. Et c'est aussi une triste <laughs> réalité que, parce que c'est la majorité des mais entrepreneurs. Comment faire face à ce, à goulot, quand même Effectivement. C'est extrêmement difficile. Ça, décourage. Ça décourage. Mais moi, je me dis que nous, on a été victimes. On a presque beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui. Pas seulement que nous, les jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, il y a de grandes entreprises aujourd'hui. Pour se faire payer, c'est tout un problème. Donc, effectivement, c'est là où souvent des structures Appui financier peut venir en appui parce que si on regarde votre entreprise, on regarde les chiffres et on regarde la viabilité et que si à un moment donné vous n'arrivez pas à fonctionner financièrement, effectivement peut venir en appui ces structures-là pour, euh, vous booster. Mais ce sont des choses, ce sont des difficultés qui, arrivent, en tout cas dans le fonctionnement normal hmm. d'une entreprise. Monsieur Belot, comment contourner ces, grosses difficultés En fait, les difficultés, je crois qu'au Niger, l'État fournit des efforts, mais c'est encore insuffisant c'est encore insuffisant. Je peux commencer d'abord, peut-être l'une des difficultés, c'est d'abord au démarrage, il faut un minimum d'exonération. C'est-à-dire, l'entreprise se lance et on te dit, une entreprise individuelle en tout cas, ou une responsabilité limitée, oh, peut-être avant même que tu ne finisses l'année, l'impôt, la DGI est déjà là. Et je ne peux pas comprendre un entrepreneur, un jeune entrepreneur qui cherche d'abord à s'élever et créer d'autres emplois, qui n'a même pas démarré, on cherche à les taxer. Ça, c'est l'un des points. Mais qu'est-ce que l'État fait pour améliorer ce climat Pour, l'instant, quand même, au niveau des, taxes, je pense que la maison de l'entreprise a été créée quand même pour faciliter la création. C'est bien, ça incite, ça aussi, on divulgue l'esprit d'entrepreneuriat et tout. C'est bien, mais aussi en profondeur, par rapport à cet aspect, je tiens fort par rapport, il faut un minimum, quelques années d'exonération au niveau des démarrages. Ça, ça peut faciliter beaucoup des tâches. D'accord. C'est d'où Parlons du matériel. Vous, vous êtes euh, dans le secteur des médias. Mm. Comment euh, avoir du matériel pour travailler pour un jeune entrepreneur Alors, euh, comment contourner les difficultés pour justement avoir un matériel performant mm. et répondre aux vœu du client Alors, comment contourner ces difficultés d'ordre financier de... liées à l'investissement d'où en a parlé un peu. D'abord, il faut quand même euh, aller vers les structures d'appui financier hein, qui peuvent euh, financer, par exemple, les banques, les institutions euh, de microfinance, même pour les jeunes. Mais souvent, même pour avoir ça, il y a aussi souvent le, péché que commettent beaucoup d'entrepreneurs. pour que quelqu'un vous donne son argent, qu'il vous accompagne, il faut que vous ayez une bonne gouvernance, que vous soyez bien géré. C'est pour ça que moi, ce que je conseille, quand votre entreprise naît, dès, euh, son jeune âge, commencer à prendre des bons réflexes en matière de gestion. Gérez bien. Lesquels euh, Gérez bien vos finances, tenez une bonne comptabilité, euh, faites la différence entre votre poche et la caisse de l'entreprise, soyez rigoureux. Parce que si vous partez demander un prêt, une banque ne peut pas vous prêter de l'argent si elle n'est pas sûre de votre comptabilité. Vous voyez, ça c'est le premier niveau. Le deuxième, par rapport à la question d'accès au marché, il faut aussi travailler dur pour diversifier ses clients. Dans certains cas, vous avez des clients, et souvent, malheureusement, au Niger, c'est le secteur public lui-même qui ne donne pas le bon exemple. si le secteur public a des difficultés, essayez quand même d'avoir une bonne stratégie commerciale pour avoir une diversité de clients. Il y a des ONG. Il ne faut pas s'en tenir à l'État seulement. Mais si on s'en tient à l'État, c'est un peu difficile. Honnêtement, je vais vous dire, moi, aujourd'hui, je suis très prudent lorsqu'il s'agit de faire des affaires avec l'État du Niger. Ça, c'est sûr. Et mon premier client que j'ai provisionné, depuis que mon entreprise existe, c'est un client public. Donc, pour moi, euh, je pense que. Votre premier client, c'est Que je provisionne, c'est-à-dire un client à qui on a rendu un service qui n'a pas pu nous payer, c'est euh, dans le secteur public. Et, on était obligé de lâcher parce que. Au privé, vous êtes sûr que vous allez être payé Oui, je pense que le secteur privé paye beaucoup plus euh, loyalement que le secteur public. Ça, c'est sûr. Maintenant, Belle a parlé des questions des taxes. Effectivement, les taxes, quand une entreprise fait face à des taxes, ça euh, le handicap. Mais il y a quand même des efforts qui ont été faits ces dernières années sur ce plan. Par exemple, aujourd'hui, toute entreprise qui est créée, qui est formellement créée, qui adhère au centre de gestion agréé, a une réduction d'impôt de 25%. Et ça, beaucoup d'entrepreneurs ne le savent pas. Ils ont certaines réductions de patentes hein, ou, certaines taxes. Et c'est aussi pour ça que nos jeunes entrepreneurs doivent aller chercher l'information. Parce que quelqu'un va dire, mais il n'y a pas de, de facilité, ne pas renseigné. Mais justement, pour l'information, puisque c'est important, je, faisais le lien avec euh, Niamey et puis les autres centres où il y a des jeunes qui sont diplômés, qui ont euh, des capacités, des potentialités, mais qui n'ont pas l'information. Alors, l'effort que je suis. en train accent faut-il mettre sur ce point pour que tout le monde puisse en profiter. Euh, je pense que déjà, euh, il y a un premier pas qui est en train d'être fait c'est la délocalisation euh, des, organismes d'accompagnement. Par exemple, la maison de l'entreprise est en train d'avoir des antennes dans différentes régions. Le centre de gestion agréé. Et je pense que même le CIPMEN a une certaine vision dans ce, dans ce sens-là. Aujourd'hui, nous, avec Business Challenge, Agri Challenge, on essaie de, couvrir le territoire national par rapport, grâce à la diffusion sur Télé Sahel. Donc, Mais c'est vrai. Il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire. On, va parler avec la, maison de l'entreprise, puisque notre reporter a quand même eu le chargé de communication ce matin mm. euh, à, la rencontre et il a mis l'accent sur un outil important dont Berlo avait et en avait parlé. Pour les jeunes, c'est le plan d'affaires. Donc, je vous propose de suivre le chargé de communication de la maison de la presse, M. Jibo Mamadou Bachir. C'est quoi le plan d'affaires La compétition de plan d'affaires. Les jeunes de 18 à 35 ans qui ont des idées, qui ont des projets de créer leur propre entreprise ou de développer des entreprises qu'ils ont déjà. Nous, nous leur donnons l'opportunité à travers la compétition pleine d'affaires de participer et de bénéficier de nos services. Et cette compétition-là sera très bientôt lancée sur l'étendue du territoire national. Alors quand vous dites bientôt, d'ici quand on peut espérer le débit D'après notre programme qui est indicatif, notre calendrier, normalement c'est dans la dernière semaine du mois de novembre. Déjà, on a fait une mission à l'intérieur du pays, on a visité, on a signé les huit régions du Niger là où on a rencontré des jeunes à travers des journées d'information et de sensibilisation sur la compétition. Et cette tournée nous a permis vraiment de mobiliser jusqu'à plus de 1000 jeunes vraiment qui ambitionnent de créer leur propre affaire. Dans ce cas, pour euh, accéder à vos fonds, il faut euh, simplement présenter son projet ou bien Voilà comment ça va se faire schématiquement. Dans un premier temps, on a un formulaire de candidature que le candidat doit remplir. Le formulaire là, s'il est bien rempli, et envoie au niveau de la maison de l'entreprise, ce qui veut dire que vous rentrez dans le cycle de la compétition. Après, il y aura des formations de tous les candidats en, élaboration de plans d'affaires. Une fois les formations là terminées, les candidats vont revenir, ils vont élaborer leur propre plan, plan d'affaires qu'ils vont soumettre maintenant pour entrer dans la compétition. Ce sont ces plans d'affaires-là qui seront évalués, plus encore l'évaluation du candidat lui-même à travers un entretien de 10 à 15 minutes. Donc euh, l'évaluation du candidat, ensuite on va lui attribuer une note toute note supérieure ou égal à 12, déjà vous devenez lauréat. Dans cette compétition, quand vous devenez lauréat, vous allez bénéficier non seulement de l'appui technique de la maison de l'entreprise, mais aussi de l'appui financier. Je vous donne un exemple. À travers le fonds qu'on appelle le fonds à coût partagé, qu'on est en train d'exécuter. Le fonds à coût partagé, ça veut, dire que le promoteur prend une partie, nous aussi nous prenons une partie. Un jeune qui a un projet, d'à peu près 14 millions. Pour bénéficier de la cote-part de la maison de l'entreprise, il lui suffit de nous montrer concrètement, de montrer qu'il a déjà son apport personnel de 7 millions. La maison de l'entreprise va lui amener un appui financier de 7 millions. Donc ça va faire les 14 millions dont il a besoin pour créer son entreprise. En plus de cet appui financier-là, qui est une sorte de subvention, nous mettons en place aussi tout un pool de formateurs, de conseillers, d'experts qui vont suivre le jeune promoteur jusqu'à pendant plus de 18 mois. Voilà, donc ça c'est la maison de l'entreprise. Belou, vous faites pratiquement la même chose. Euh, alors, ben, il y a quand même, euh, il faut avoir une base. Oui. 7 millions rapidement. Et effectivement, au fait, euh, concernant les compétitions de plans d'affaires, parallèlement aussi, ce que je disais, au fait, ça fait partie des, premiers pas à faire quand on rentre au, nouveau centre incubateur. Mais <clears throat> il faut aussi dire, il y a d'autres, avant qu'ils ne viennent déjà aussi, ils ont ou commencé ou quelque chose comme ça. Donc, on actualise on modifie ce qui a modifié, on recadre avec les, trucs. Donc, pour ce qui est de, ce plan d'affaires, je vais aller un peu plus loin, c'est concrètement viable, c'est un visa qui est là, comme je disais tout à l'heure. Il faut ce plan d'affaires pour savoir concrètement là où on va. Il faut ce plan d'affaires pour savoir, comme on dit au fait, réellement qu'est-ce qu'on doit investir, qu'est-ce qu'on doit soutirer et pendant combien de temps, d'ici combien de temps. Il faut aussi ce plan d'affaires pour détecter qu'est-ce qu'on a besoin comme moyen technique il faut aussi un plan d'affaires pour voir concrètement les besoins là. Est-ce que c'est nous qui pensons seulement que ça existe ou bien réellement le marché même, si on part sur le marché, on arrive à savoir que réellement il y a un besoin qui là, il est à satisfaire. Il ne faut pas se lancer comme ça. Il faut aussi ce plan d'affaires qui va guider concrètement, bon voilà, un statut juridique qui convient à votre structure. Est-ce que c'est une salle qui sera convenable Est-ce que c'est une, euh, société, euh, comme on appelle, à euh, commander. Vous avez donné le niveau, c'est le niveau bac, mais il y a une <laughs> proportion importante des jeunes oui. qui n'ont pas le niveau bac, qui ont des potentialités. Comment vous prenez en compte euh, cette proportion des jeunes <clears throat> rapidement pour... Voilà, en fait, qu'est-ce qu'on donne concrètement si je dis le niveau bac, parce qu'on considère que c'est au niveau bac où la personne peut suivre certaines formations. Mais un exemple, si réellement la personne vient avec une idée pertinente et qu'elle arrive à avec une passion qui est déterminée, elle a un minimum de compréhension, même si elle n'a pas un niveau bas qu'on peut l'accompagner. Donc, euh, ce n'est pas vraiment un critère figé qui est non flexible. D'accord. Daouda, quel est le conseil euh, finalement Est-ce que ça a de l'avenir et quel conseil pour les jeunes qui veulent vraiment se jeter à l'eau et de façon très pratique. En tout cas, oui, en tout cas, il y, y a, des opportunités. Comme Bill l'a dit, il y a des opportunités au Niger. Moi, j'ai dit, ce que j'ai dit, hein, moi, je crois fort. Malgré je crois toutes fort. ces difficultés. Je crois, fort. Je, je, je, crois très fort parce que si c'était pas ça, j'allais pas euh, quitter mon boulot. J'avais presque tout. Mais ce que je dis, je, dis aux, à certains amis jeunes, c'est si on commence pas maintenant, c'est-à-dire que dans 5 ans, dans 5 ans, dans ans ou 3-5 ans, on, va regretter. On va se dire pourquoi on n'a pas, on s'est pas lancé à telle période parce que avec la, euh, donc pour moi il faut être passionné, il faut avoir de la vision vraiment pour, euh, pour le faire. Je pense que c'est véritablement ça. Aujourd'hui, le Niger est un pays en transformation. Et déjà, quand on voit, c'est-à-dire aujourd'hui, les jeunes Nigériens ont envie d'entreprendre. Ils veulent entreprendre. C'est vrai que les gens ont beaucoup peur aussi. Hein. Et c'est vrai que créer une entreprise. La peur. par exemple, la peur d'échouer, la peur de ne pas pouvoir avoir les moyens de réussir. Ainsi. Mais tout ça aussi, il faut les dépasser. Et ça, je pense que les acteurs de l'environnement, le gouvernement et tous les autres doivent accompagner cet élan-là. Parce que je suis sûr et certain, le Nigérien d'aujourd'hui est plus entrepreneur que le Nigérien d'il y a 10 ans. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est de ça que notre pays a besoin. Maintenant, ce que moi, je conseille aux jeunes, lorsque vous voulez vous lancer, l'entrepreneuriat, ce n'est pas un jeu. Il faut le prendre au sérieux. Il faut en faire un projet de vie. Vraiment, c'est-à-dire, eh, c'est quelque chose que vous faites. Comme vous le faites avec votre travail. Effectivement. Comme vous le faites avec votre travail, comme vous le faites que vous n'avez pas droit à l'erreur. Bon, en fait, on a droit à l'erreur, mais on ne part pas, on ne crée pas une entreprise pour s'amuser on crée une entreprise pour faire quelque chose de très, très sérieux, de très important. Voilà, on ne crée pas une entreprise pour s'amuser et nous allons nous en tenir à cette conclusion. Je voudrais vraiment vous remercier, c'est Dou Soleil Mamadou de Business Challenge. Euh, euh, jeune, entrepreneur, M. Daouda Mamadou euh, Novatech. voilà, et M. Bello Mohamadou du SIBMEN. Euh, la définition de SIBMEN. Oui, centre incubateur depuis témoin d'entreprise. Aussi, un appel envers l'État. Si vraiment on peut insérer certaines matières au lycée, peut-être ça peut éveiller les consciences en amont. Pour au moins Donc, SIBMEN qui est là pour tout le monde, pour tous les jeunes. SIBMEN est là aussi, on a au moins des entreprises. En tout cas, les gens peuvent venir. On est au, à côté de. Enfin, à la troisième latérite d'Arsalam. Et, effectivement, pardon. Donc, les gens, les entreprises et les jeunes porteurs de projets peuvent venir vers nous pour développer ce qu'il y a dans leur tête aussi pour développer leur entreprise. Merci beaucoup pour, nous pour euh, nous avoir honorés. Et voilà, c'est la fin de ce forum. Euh, nous nous retrouvons demain pour une autre thématique. Bonne soirée à tous.